jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu am mbégte nuñ koy defee saa su ne di leen dégtal seen émission autour du micro tey nag euh, suñu émission autour du micro dañ fi dalal kenn koo xam ne sénégalais yu bëri bëgg nañ mu indi ay leeral yu am solo ci lu bare bare tey sama gan ci émission autour du micro capitaine Oumar Touré mooy sama gan capitaine Oumar Touré ndax capitaine ba sax xam nga dossier bari la yu nañ ko fi lu ne man ngi ak ngi koy physiquement capitaine ngi lay nuyu jox le nga oh, merci avant de commencer je may permettre ma nuyu téléspectateurs yi nuyu sénégalais lay yu lay yu lay yu lay la xool à travers le Sénégal et à travers tout le à travers le monde. Mm-hmm. et de le remercier aussi nga permettre ma tey ma mën naa toog fii comme li nga wax indi ay leeral yu tout si ay tuumal yu tout mal mm-hmm. si ay accusations yu bëri même pas euh, même avant-hier si Alassane TV maa ngi dégg benn journaliste bu présenter présenté émission di doon présenter le journal de 20h, di wax. Il affirme que capitaine Touré m'a publié ay PV donc euh, yooyu yëpp bokk na si motivé, motiver ma ñëw tey pour leeral yeneen mbir. waaw euh, cap man d' abord li ma lay njëkk a laaj moo di yow homme de l'ombre nga Manam da nga la dénk ay opération macha allah ñu bari rafetlu leen sa carrière sa cursus xam nañ ko bu baax a baax a baax macha allah mu nekk ñu lay wax ne c'est un jeune boo xam lumière la par rapport dossier bu ne traité nga dossier bu gën a sensible traité nga ko exactement la alors tey ji nga nekkoon dans l'ombre bu jégg ba si rek nekk comme ça au devant de la scène capitaine Touré capitaine Touré capitaine Touré nan nga dundee loolu. effectivement c'était difficile vous savez nit mun nga nekk militaire wala nga nekk gendarme mais au-delà de tout ça nit nit que et ça a été un poids quand même très lourd mais heureusement vous savez un officier c'est quelqu'un <laughs> conforme pour affronter toutes les situations Moi, à certains moments quand les gens ont dit que c'est la pression je dis qu'ils n'ont pas compris mes mm. supérieurs eux ils savent que c'est une situation à laquelle je pouvais faire face donc en tant que croyant aussi l'une ne koy soraale xam nga ni

yéenewuma ko ken parce que on avait de très bonnes relations donc je me dis que comme yalla teg na ko ci man bo xam mu mun naa ko support tous les autres vraiment ma len ko wax deug yalla Ni ma doon liggéeyal. parce que ils ont tous des familles am nañu ñom lañu yaakaré man aussi c'est vrai que j'avais une famille mom lañ man lañu ñu mais wax dëgg yàlla ma ken si gars yi ma doon liggéeyal li ma dal dal man je sais que li mun naa ko supporter ce n'est rien du tout boo ma gisee tey sax xam nga ne ma ngi sant yalla xamoo ma avant mais en me voyant est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est désespéré. non. merci. mu niroo ko gëm yalla alhamdoulillah exercice su métier bi nga doon def dañ ci et état ak république manam lepp loy def mu mengo le république laaj ay loi ak texte dafa mel lool moy sa problème. exactement peut-être que je n'ai pas compris comment ça marche mais man li ma dans le cadre de ma formation dans le cadre de mon travail c'est qu'un gendarme il est au service de la République et la République c'est qui c'est les populations c'est l'État en fait l'État c'est toi et moi c'est les autres donc il ne faut pas que les gens rapportent l'État au gouvernement ou à un parti, politique. Ce n'est politique c'est pas de la politique que je suis en train de faire c'est-à-dire que c'est la circonstance qui oblige que expliquer que pour que ni ni c'est-à-dire l'État ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas, euh, ce n'est pas en fait un cadre, c'est tout le monde. Donc un gendarme, pour moi, il est au service de la population, il est au service des lois. Donc les plus xam pour que la loi soit appliquée pour que les Gissi Bopam vraiment ça c'est fait pas de manière partielle mais comme il se doit. juste juste donc pour moi, c'est ça le rôle d'un gendarme ou d'un policier parce que gendarmerie et police c'est la même chose on fait le même travail de la même manière mm-hmm. donc c'est c'est important quoi mais euh, ba nga nekkee fële euh, ñu ñu ñu japon la fofu waaw ak coow li de l'extérieur coow li nan nga dundee loolu c'est important parce que ba ngay poser acte bi xamoon nga conséquence yow sax wax ko exactement ça assumé nga ko. ça assumé ko mais lolu bala ma si dem dama bëggoon remercier mes amis de Touba pour te dire pourquoi j'ai vécu ça avec beaucoup de conviction c'est-à-dire avec beaucoup de euh, c'est-à-dire ak gëm yalla la ko dundee. gis nga xam nga quand j'ai écrit ce message sur Facebook à 11h j'étais à Mbour ma jël oto waaw dem Touba j'étais avec euh, une amie bu ma don jappalé bu baax way nit ku baax je peux pas citer son nom ici parce que xam nga rek pour protéger ma andak ak moom ñu egg Touba ñu egg ñu laa dire ñu man dama don dem Touba quoi je partais à Touba depuis 2018 je vais vous expliquer pourquoi en 2018 la commencé dem Touba c'est-à-dire quand on est arrivé ñu fekk fa ben waa yo xamné mom moy garder mooy garde Touba quand on l'a expliqué la situation bu may dem Touba depuis 2018 La, la musuma mosuma dugg bërëb waaw musuma fa dugg quand j'ai quand on a quand j'ai expliqué au gars ma situation mu japp sama loxo yobuma ba si biir ubbi ne ma dugal tok fi. mu ne ma c'est-à-dire lui ce qu'il a émis c'est pourquoi j'ai choisi Touba c'est-à-dire gis nga buñu ñu yobé fofu yóbbee mu ne ma ñaanal fi lo bëgg dina am man eh, ma remercier ko ma tok ma ñaan après mu ne ma loo bëgg ma expliquer ce que je voulais gis nga à partir de ce jour cette personne est restée avec moi pas affaire bi gis nga auto buma ma di génn Touba encore di génn Touba. Mm-hmm moo toog si kanam ñu demaat ba Mbour fu may doon dem ba même bu may dem def sama émission Sen TV. Mhm. ak Ahmed Aïdara mhm. mën nga laaj Ahmed Aïdara waa jaa ngi doon toog foofu pour te dire que le gars quand je l'ai expliqué il s'est mis à mon service xam nga nit bu la defal loolu amaloo koy fay. Mhm. te pour man loolu du neen birum yàlla la moo tax même quand je suis resté à <coughs> Mbaw. pendant les soixante jours. wax dëgg yàlla dama sant yàlla gis nga même bu ma ñibbisee sama kër balaa may dem Mbaw vous avez vu, il y a une vidéo qui a fuité. Mm-hmm. Vraiment, beaucoup de monde fuité parce que j'étais dans ma famille. C'était vraiment quelque chose, bon, c'était... intime. Voilà, c'était intime. Mais gain, mais quand vous une vidéo, lui, c'est pas un gars qui est désespéré. bien sûr yaa ngi dem mais des des cotes, ba cotes, des cotes. Il y a tërale il y a dafa cotes. parce que da nga mesuré woon li nga daan def xamoon li nga daan def xam nga parce que tamit xam la loi bi mu wax c'est un problème de dignité en fait mm-hmm. voilà lu indi loolu yëpp peut-être après si kanam de on va. Aïcha di len wax ci lolu léegi euh lutax bañu le radier ba léegi nga nopi dégguñu Touré fenn lu dul par escarmouche mu mu bind benn affaire parce que wala yoy rek lutax lan moy di won silence bi. en fait euh, xam nga genre situation yi bo si génnee da ngay am une pression morale extrême c'est-à-dire comme ni mala wax nit nit kessela c'est-à-dire imagine toi on est presque 16 millions de Sénégalais ku ne xamna kuy capitaine Touré ku ne kuy capitaine ku ne dina wax ci capitaine Touré té man xawma c'était une première fois donc il fallait que je prenne du recul ma dem tassé ak mbokk yi mëna a qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois devenir parce que j'étais aussi un militaire qui était soumis à la réserve qui ne pouvait pas faire n'importe quoi et n'importe où donc il fallait que lolu yépp ma jéem ko dund d'abord pour savoir comment je vais Comment réorganiser ta vie Voilà, comment réorganiser ma vie, comment désormais les gens vont me voir parce que c'est important. Parce que donc c'est ça qui a motivé ça donc mon devenir va expliquer qu'est-ce qui a motivé ma démission ou qu'est-ce qui a motivé mon départ de la gendarmerie il fallait que me dellu d'abord gis samay beaucoup, expliquer rassurer leen ne j'ai absolument rien du tout que c'était quelque chose qui devait arriver et qui est arrivé. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne pense pas avoir fait wala toroxal ni toroxal je mérite que yalla toroxal pour moi c'est ça devait arriver et c'est arrivé et c'est tombé sur moi et je remercie le ciel Alhamdulillah. alhamdoulillah alors je euh, nga démissionner. lan mo sabab démission bi pression bi la top bi na menace bi lan moo waral bëgg démission. voilà Pape vous savez être un officier de gendarmerie c'est pas n'importe quoi c'est important vous savez au Sénégal on a des personnes qui ont été tuées ici dans le cadre de dossiers pareils. Mmh. Voilà vous savez quand ça a commencé j'ai rendu compte d'abord à ma hiérarchie c'est normal je suis un militaire. da nga leen wax. voilà ñii la yilif nga wax leen na leen am na looy gis mosoo koo gis. xam nga une enquête enquête interne a été ouverte au, sein de la gendarmerie diligente, j'ai été entendu, m'expliquer Maintenant, quand, tout ça a commencé, juste après la fuite du PV, à la PV, le PV c'est vous-même qui, l'avez publié pour la première fois. Euh, capitaine capitaine de <laughs> c'est important. vous savez ce PV la version du PV qui a fuité. Euh. je ne l'avais pas je l'ai vu au même titre que tous les Sénégalais. Je n'ai pas dit que je n'ai pas participé à, faire ce PV. Mais la version qui a fuité, ah. je l'ai vue au même titre que tous les scénarios. C'est important. C'est-à-dire j'avais j'avais vu tout ça. Mais ce qui a fuité, c'était la première fois que je le voyais, c'est important. Quand on euh, par les messages WhatsApp, ah. quand je l'ai reçu d'ailleurs, j'ai directement envoyé à mon, mon, chef, je lui ai dit que j'ai reçu la, la version du PV. Il me dit, ah oui, après, cinq minutes après, il me rappelle, il me dit, moi aussi, je l'ai reçu. Je vous jure, cette version du PV qui a fuité, je n'ai pas dit que je n'ai pas participé à la confection du PV, c'est important. Mais la version du PV qui a fuité, je l'ai vue au même titre que vous. C'est important. Billahi wallahi wal kitab. Donc c'est important. que tu as fait fuiter un peu, alors ne savent même pas. C'est grave. C'est très grave. Mm alors nga jot ay menaces, ngay jot ay menaces enquête comme il se doit en tant que après ngay jot ay menaces ak ay. xam nga comme enquête bi man kese ak chef. ñoo si quand ça a fuité les radars se sont tournés vers moi donc on dit que n'y a que moi alors que ça c'est le dossier le plus petit que j'ai vraiment c'est le moindre c'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose qui mérite d'être je ne sais pas ça ne mérite pas cette considération que les gens donnent. Ça, c'est un citoyen contre un autre. On l'entend, on fait des PV. J'ai établi tellement de procès-verbaux, j'ai corrigé tellement de PV. Si moi, je devais faire fuiter quelque chose pour ma crédibilité, ce n'est pas ça. Et pour continuer, s'il vous plaît, vous pouvez me... Wow, tu as reçu des menaces. Exactement. J'ai commencé, je roulais. Vous savez, moi, j'avais un véhicule, une Ford, qui avait une plaque diplomatique. C'est une plaque facilement identifiable. Parce que pour les besoins de nos

ma ñëw sama chef wax ko loolu normalement je pense que le fait que ma wax ko kese man officier de gendarmerie loolu war na tax ñi ñi jël ay mesures concrètes ma xam ne ñii vraiment il pense à moi mais ça n'a pas arrêté mu continuer ma dem ba dindi samay plaque pour que nit ñi bañ ma xam ma jël plaque yi ma teg ko ma wax ko sama chef encore malgré ça ça a continué ma bind bind pour dire que ma sécurité est menacée ma jox ko sama chef mu transmettre ko malgré ça ça a continué mais papa, là, m'a après dites-moi qu'est-ce que je peux faire à part ça est-ce que moi j'ai intérêt à raconter dire que nit me top may que top alors que depuis deux ans six mois j'ai traité toutes sortes de dossiers bu je fais le qu'est-ce que je dois faire parce que je ne peux pas m'asseoir chez moi moi je suis un militaire on me donne des ordres je les exécute te da sentir vie en danger. te quand on va me donner une mission ñemewu ma wax ne du ma dem mission parce que ma vie est en danger boobu la jël décision je suis sorti un vendredi après juste la prière c'est ça d'ailleurs qui a expliqué mon accoutrement parce que c'est la, seule heure où je pouvais sortir de la caserne te kenn ne ma gis kenn du xam ne ngi c'est-à-dire ça m'a un peu aussi c'est vrai que man gëm naa yoonu murid mais je ne voulais pas apparaître comme ça au yeux du Sénégal. parce que euh, d'une autre manière c'est pas bien parce que nous sol yére yooyu c'est des gens qu'on respecte à travers le Sénégal donc bu problème amee te nga génn si day c'est une manipulation alors que c'était pas une manipulation man solna yenen yeneen yo yoo ça montre que man damay dem Touba je fais comme tous les mourides mais beaucoup mako extérioriser nit ñi xam ko pour yaakaar ne man dama koy def pour que nit ñi top ma si. gëm-gëm la sama gëm-gëm la quoi man nit mënuma dugal si lo xam ne dinaa la expliquer comment je suis même entré Vous nan laa commencé di demee Touba di fa dem di di topp yoonu Mouride tout ça je vais vous expliquer. ay ci ay ci mën expliquer nit vous savez en en 2018. 2018 bon vous savez nous moi je suis de Kolda. xam nga Fofu. on n'a pas trop la tradition Mouride xam Mouride d'abord culture la. dañ loo xam ne da ngay Joudou, xam ko moi j'ai j'ai grandi à Kolda bon bu ma fa je suis venu à l'université mais pendant tout ce temps yàlla dogal noonu peut-être que ma tase ak ay nit ñoo xam ne mun pour moi xam lui parce que pour nga nek dara aussi faut nga xam ko. nga gëm ko je suis parti beaucoup après ma dem ma ma ma ma jógee université ma dugg gendarmerie xam nga gendarmerie boo fa aussi avec le travail parce que man dama gëmoon sama liggéey en fait. man même ma mère voilà mon père pour ma voilà leen dafa doon jafe dañ ma doon woo di rek parce que liggéey bi dama ko.

décembre 2018 ñu ànd gis nga bu fa dem on est parti voir son marabout qui est malheureusement décédé gis nga lu ñuy def sax ba léegi baara bu ma àndee ak moom Touba c'est lui qui me dit boo eggee si sëriñ bi nii ngay def c'est lui qui m'apprend comme je vous dis le mouridisme c'est d'abord une culture mm. c'est une manière d'être boo xam ne vraiment da ngay gis rek nga xam ne kii murid bu ñu àndee mu won ma ne ma nii ngay def nii ngay def nii ngay def euh, quand on est parti voir son marabout marabout bi mu ko kii c'est la première fois gendarme la muy ñew Touba dama bëggoon nga ñaanal ko parce que nit ku baax la et tout ça serigne bi ne ma je vais te dire juste deux mots nee na Touba fi ñaari nit ñoo fiy ñëw am na ñu fiy ñëw ngir yalla am na ñu fiy ñëw ngir aduna mu ma yow ñewal fi ngir yalla nga bañ fi ñewé ngir ngir aduna mané ko d'accord merci mu jox ñu ay conseils yu bëri bobu lañu dem on est parti à la mosquée de Touba on est entré ñu top gis nga dañoo egg raba boo eggee xam nga da ngay julli. Mm. on est parti à 11h dañoo waroon ñëw rek ma def ñaari rakka comme baara lañ ko defoon defee ñu dem. ñu def ñaari rakka ñu toog ma commencé di wirde sama loxoy ma bëgg a nelaw ma ne ko ah baara man de duma ma nelaw ba ceeb waaye tey dugg naa si jumaa ji rek maa ngi bëgg a nelaw lu xew man est-ce que duñu fi xaaraale ñu nekk fii ba 2h ñu julli boobu laa génn jënd kurus parce que duma ma doon wirde si sama loxoy yi laa doon wirde ma dem jënd génn jënd kurus vous may bu ñuy dem je vais vous expliquer après may genn genn kurus di wird la la wird en fait je fa ay yu ma jangal Lo, c'est-à-dire que xamné bo pour la première fois dans une mosquée nga sentir ne yegg nga fa yalla li ngay jang ma jang ko bu baax bi denc ko def ko sama si bobu da ngay xamné ça c'est c'est c'est-à-dire bo dama ko considéré comme c'était la première fois que tu partais à Touba ma ci lo, xamné ci pour man yëg naa fa yalla ma jël difa ñaan bobu la ko may da ngay xamné ne loolu du mayu démagogie. dinaa dinañ dellu ci hypocrisie ay Bougazelli légui euh bon légui ñu avancer nak parce que amna yu bari bari bari yo xamné euh war nañ ko waxtané euh, parce que tay ji euh capitaine ma laaj la benn mbir lan mooy sa statut instant bi. man actuellement sama statut civil la. c'est important aussi parce que y a beaucoup qui des fois me reproche le fait que ma bind ma page Facebook moi désormais je suis un civil. pourquoi parce que radié parce que j'ai été radié quand tu es radié tu n'es plus militaire Je ne lu trompé le fait qu'on dise qu'il a été cassé au non ça me gratte. c'est-à-dire que le président a le pouvoir de me retirer le grade C'est ce que may mais en suivant des normes. Mm-hmm. d'ailleurs je voudrais aussi vous informer que mes avocats qui sont Maître Souleymane Soumaré et Maître Moussa mm. ont déposé un recours devant la Cour suprême. Voilà. Déjà, en fait, pour moi, oh, toutes les dispositions n'ont pas été respectées. Et illégales, décret illégal, à mon avis. Mmh. Voilà, ça. Tu es civile. Je suis civil. Parce qu'un recours devant la Cour suprême, nous mm-hmm. suspendre effet acte Donc, même vous faites saisir, ce n'est pas comme devant les juridictions de droit, comme vous savez, vous saisir euh, c'est-à-dire quand tu fais appel, on dit que les effets sont suspendus et tout ça. Non, en ce c'est pas comme ça. Donc, dès l'instant que le président bi jël un décret un militaire je suis un civil donc man ak. nga liberté tey man ak yow Pape on a les mêmes droits on a les mêmes devoirs. Donc, léegi leer civil nga waaw. Euh, moom maa ngi titre capitaine mais man ne suis ko dindi cap wax capitaine Omar Touré moo ma gën a neex <laughs> am naa ci droit euh, on est dans un pays démocratique alors léegi euh, dañuy ñëw nag ci premier dossier bi nga xam ne moo indi coow li mooy mbiru Adji sar, Ousmane Sonko dossier bi comme mi ngi ci yoon duñ dugg dans le fond du dossier mais accusation yi ñu la porté foog ma wax ci ak yow. non c'est vrai. très bien léegi ñu ne yow yaa fuiteloo PV yi. d'accord lu tax ñu accusé la loolu. waaw loolu comme ni ma la wax euh, le PV comme man ak sama chef quest kese ñoo doon liggéey ci dossier bi te loolu aussi eh, ça montre que il avait confiance en moi vraiment moo tax maa ngi koy gërëm di ko sant parce que il m'a donné il m'a fait beaucoup de privilèges loolu rek moo tax ñu yaakaar ne man maa ko fi mais comme je l'ai dit tout de suite PV boo xam ne jotuma version boo xam ne version boobu jotuma ci nan laa ko mën a fi wuteeloo je l'ai pas fait parce que je l'avais pas est-ce que affaire bi bu mu commencé ba léegi gis nga benn procès verbal gendarmerie wala bien communiqué gendarmerie wala bien décision de justice bu voyez, capitaine Touré bokk na si ñu PV est-ce que vous avez une enquête interne amoon une enquête interne mais dans cette enquête là je ne peux pas je ne peux pas parler de cette enquête ici. parce que c'était quelque chose de privé. Mm-hmm. mais ce qui est important c'est de savoir qu'au sein de cette enquête on sait que ce n'est pas moi Vous faites qu'on man là, <laughs> on m'aurait sanctionné voilà si on m'a pas sanctionné comme je vous dis quand j'ai entendu la journaliste présenter le journal affirmer affirmer parce que ce n'est même pas ce n'était elle a affirmé pour dire que parce qu'elle expliquait le fait que que les forces de l'ordre doivent que les gens doivent faire confiance aux forces de l'ordre si on, on en vient jusqu'à se demander est-ce qu'eux nous protègent ou ou ou ou peuvent divulguer eux-mêmes nos informations c'était grave monéma après mu joxe exemple mu ne le capitaine Touré vous divulguer PV ça c'est. day dégg naa da ngay pas menacer c'est avocats ñi la diffamer ci ils peuvent être sous le coup de la loi. Ou alors, pour l'instant je vais m'abstenir d'en discuter parce que mes avocats vont prendre les dispositions qu'il faut quoi. kon nous jàpp ne yow PV yi futur, ça ne vient pas de c'est impossible. impossible impossible loo que ne gisuma ko mënuma ko tel. Il n'y a pas une enquête interne bu tout mal ci loolu. Amon. te enquête interne amoon na. Mais comment le temps de fomenter accusation mais peut-être que comme dem comme j'ai décidé de démissionner parce que je n'ai pas été protégé. je considère que mes droits ont été bafouillés. Les gens en ont profité pour faire circuler ces rumeurs mais encore comme je vous dis la gendarmerie n'est jamais sortie pour dire.

xam Ousmane Sonko. Ousmane Sonko pour la première fois. Mm. C'est le jour où je suis parti lui remettre une convocation. jour bi nga di convocation et c'était en ordre de mon chef. commandant commandant Abdou colonel Abdou Mbengue mm, ce colonel lui qui m'a donné l'ordre d'aller remettre une convocation comme on était deux c'est une affaire qui devait être verrouillée Madame dem euh, c'est dans ce cadre même que j'ai échangé des SMS avec Ousmane Sonko pour Lacco, parce que on a trois fois décroché donc il fallait un message Des messages aussi de ko capture d'écran yep jox ko mon chef Nous avons aussi compté, compter ces journal d'appel sinon pas un numéro de service. un officier qui est à la section de recherche. vous pensez que moi même si je voulais le faire je peux prendre mon numéro de service ma bind si SMS direct un mis en cause dans une affaire que moi je suis en train de, de, de traiter honnêtement quoi logiquement. donc si je comprends bien. yow da nga Ousmane Sonko pour localiser pour dire ko convocation jëlul ñetti yoon. dama ko trois fois. jëlul waaw jëlul. après nga envoyé message par le numéro professionnel yor. professionnel euh, bonjour monsieur euh, monsieur Ousmane Sonko quoi. Mhm. je suis le capitaine Touré officier adjoint à la section de recherche dama lay bind SMS bi pour wax na la dañ lay bëggoon indil convocation nga wax ñu yow foo dëkk après mu nekk ba ay 18 heures wuyuwul boobu laa ko ne ma yaakaar ne comme wax ma honorable député mm-hmm. moo tax répondre après ma ne à la place de monsieur lire honorable après la ma répondre ne ma je suis à tel à tel le lendemain bu ñu nekkee ba ay 11 heures ñëw ma boobu la bind boobu la ma bind message ne ma monsieur Touré je dois sortir je vous attends parce que lui aussi c'est vrai qu'il voulait laisser une traçabilité xam ne gendarme bi wonama parce que boudé wax la boko ko enregistré du xam donc il lui faut lui aussi une traçabilité bu xamné gendarme moko convoqué à tel numéro tel heure bobu la dem bobu la jël sama auto dem ba fofu jox ko ko këram bu mu déchargé ma photo décharger bi yondi ko commandant bi jëlaat ko encore yobul ko ba fofu c'est le dernier contact avec Ousmane Sonko et moi et c'est la seule fois et je défie, comme je l'ai dit avec, lors de l'entretien de Mohamed Adela, je défie tout Sénégalais, Wahouma police ak gendarmerie ak tous tout Sénégalais bu moi, prouver que moi j'ai été en contact. amoon ay nit yu wax ne contact mais. comme je vous dis je défie tout le monde de produire une preuve matérielle Sénégal pour la wax tous les Sénégalais comment ils ont une preuve matérielle que man am contact avec Ousmane Sonko j'ai ak bind naa ko message wala def naa ko leneen lu dul pour sa convocation mun na ko génne billahi wallahi walkida jusqu'à l'extinction du soleil du am. comme disait l'autre voilà du du am ba àdduna jeex. alors Sonko mais am na bu nekkul Sonko am na le cas de Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye dañ la reprocher ne da nga ko wutal avocat. c'est important Pape ça c'est une très bonne question. non tey kay nee la ci Pape Alé ba paré. moo euh, ma indalé le code de procédure pénale article 55 cinq. alinéa waaw alinéa 10 je pense et et 11. attendez je vais vous je vous je vais vous donner vous allez lire je pense c'est mieux parce que yow di nga wax nga traduire ko en wolof. Pape le fi s'il vous plaît. fii fii la commencer l'officier de police judiciaire balaa la suite. oui euh, l'officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès verbal d'audition à peine de nullité. C'est important l'avocat désigné est contacté par la personne interpellée ou toute autre personne par elle, désignée ou à défaut par l'officier de police judiciaire. L'avocat peut communiquer, y compris par téléphone ou par tout autre moyen de communication, s'il ne peut se déplacer dans les meilleurs délais avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Bon, je traduire tu Wolof. Nous, si officier police judiciaire ci mbirum enquête dina la war a xamal ne la balaa ñuy laaj am nga droit am avocat boo xam ne dañ ko mu ngi ci baro bi wala ku nekk stage te loolu bés bu ko deful procès verbal bi nga xam ne déglu na ci yoon munu ci sukkandiku pour attela. la mu ko avocat bi ñu désigné mën nañ ko contacter personnellement waaye bu nekkee ne ki ñuy déglu officier de police judiciaire bi moom mën na ko wutal avocat xamal ko ko bu d'accordee mu ñëw ñu doog a li nga xam ne audition bi. waaw doy na

ma wax ko ne da nga war am avocat te bu fekkee ne moom xamul avocat on a dit des avocats inscrits man on n'a pas le tableau du barreau mais j'ai des numéros de téléphone mu utal ko un avocat boo xam ne parce que man bu ma ko utal avocat je ne joue pas un faux jeu c'est-à-dire dama ko utal koo xam ne man tey sama yaay bu fa nekkoon wala sama rak moom laa koy utal donc c'est pourquoi moi j'ai appelé un avocat à qui j'ai confiance mais aussi là aussi c'est important xam nga ñun suñu population yi même la population une partie de la population pense que un officier de police judiciaire d'où un citoyen. Parce que comme tu es un gendarme, tu dois être du côté du gouvernement ou du côté de ceux qui gouvernent. C'est pas ça. Cette tradition-là, comme je vous l'ai dit, c'est colonisation En Occident, les États ont été mis en place en même temps que les services de sécurité. Parce que nous avons fait pour arsenir la population. Mais nous, c'est la police et la gendarmerie, toute l'Afrique, hein, on, on, on précédait l'État. En fait, c'est le colonisateur qui avait institué. ñu ñu coloniser woon ñoom ñoo institué woon pour noot pour noot ñu. ñooñu loolu nag dañoo foog sénégalais yi. culture voilà culture boobu. culture boobu la même population ba ngay gis gendarmerie bu demee si si dëkk yi wala police gis ñi ñi di daw di yaakaar ne dañuy ñëw pour jàpp alors que ça a changé léegi police commissariat boo dem brigade de gendarmerie boo dem boo fa eggee dañ lay informer ne que da nga am droit am avocat tel avocat parce qu'ils ont des numéros d'avocats qu'ils appellent mais l'eau, ça ne t'empêche pas de faire ton travail tu fais ton travail normalement l'avocat il vient il fait son travail donc moi je pense que les les gens doivent savoir qu'un officier de police judiciaire son rôle c'est servir la loi servir la loi la loi et le droit et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué le texte peut-être que les gens vont voir que ça n'arrange pas une partie ça arrange l'autre mais le jour où ces personnes même qui disent que... Sont de l'autre côté. Sont de l'autre côté, <laughs> ils vont comprendre le rôle du gendarme, s'il est équitable, s'il est juste. C'est ça, il faut qu'on se batte pour que la gendarmerie et la police soient, et ils le sont actuellement, mhm. mais que ça continue ainsi. C'est-à-dire, si même la, population elle-même, parce que ça, ça arrange aujourd'hui, dit que non, on ne doit pas chercher un avocat, et que demain, ils se retrouvent de l'autre côté, mais ils vont comprendre. Bah te tey te mbir dafa gaaw de dafa gaaw a changé de. aduna dafa gaaw dafa gaaw a changé. mais euh, dafa am leen loo xam ne il faut que ma laaj la ko moo di yow piloté nga dossier yu gën a sensible yu sensible sensible sensible tey jii nga yaa ngi koy wax sax un dossier anodin à la limite entre deux citoyens mu dem ba jur coow lu toll nii fukki bakkan ak ñeenti rot ci. C'est ça qui m'a surpris d'ailleurs. Bah, c'est ça, ça fait partie des choses qui ont motivé, motivé ma, démission. comme je te dis pour moi un officier de gendarmerie. tu vois ci wolof pour moi, parce que je veux fait c'est lu je tax ma parce que je dem remettre en cause ma crédibilité et ma dignité ngir affaire que xamné ne li affaire bu ndaw la c'est-à-dire sama chef xamna né bu fekké ne sais wax na leen li ma ak mom ak li comme um il leur dira que ce gars, vraiment, ça c'est la moindre des choses. c'est-à-dire du dara a nga bu demee ba remettre en cause crédibilité on officier de gendarmerie si ay affaire yi affaire affaire affaire xale wax dëgg yàlla Après, jaratu ko quoi c'est-à-dire man li ma pas. daw que la gendarmerie continuer di fa que ñu may désigner des droits. parce que après les rumeurs ça ça continue parce que si vous avez ba lay c'est parce qu'on reproche quelque chose boo xam ne waxuñu pas Mhm. comprendre Lolo après da ngay nek gendarmerie toute ta carrière mais les gens te désignent du doigt tu vas être là et puis tu ne seras pas fier de toi. ça me rappelle le livre de colonel Aziz Ndaw pour l'honneur de la gendarmerie. Mhm. donc euh, amna yenn yi lu gën moy nga dem nga def len parce que comme ni ma la man dama gëm sama bop wax deug yalla euh xamna ni yalla moma sak té te yalla wolu bo xamné je ne pense pas que yalla dina ma c'est du ma waroon troxal sax maa koy sant bu ma waroon c'est-à-dire tey boo ma fekkon ci àll bi maa ngi bay. Je hmm. vais me comporter de telle sorte que tu auras envie toi de laisser ton travail et de venir nous bay parce que di nga gis ma content, content, bo xamné di nga né wa est-ce qu'il n'a pas un trésor enfui dans le sol parce que man ne la pas aduna lenen li c'est des détails. Et malheureusement il y a eu 14 morts pour une affaire bo xamné ne vraiment. jaru ko quoi. Hmm, waaw beneen de bi timit <laughs> capitaine ñu ne da nga rek man ma dégg ñu ne sa benn rakku papa la xaw ma ñu ne euh, capitaine Touré dafa teqali ko ak sagoom quoi waaw ah, mën suis leen waaw capitaine Touré loolu gaaw loolu loolu <laughs> yaa ngi ree sax. parce que c'est important. Uh-huh. comme ni ma la wax xam nga on était dans une situation très confuse boo xam ne say mbokk yépp dañuy jaaxle et moi je pense que peut-être qu'il était dans une situation de confusion et il voulait m'aider parce que je pense que lui, il pense que c'était la manière avec laquelle il pouvait m'aider et il l'a fait. Et Graoul, quoi, je pense que c'est rien. Moi même si je suis LG Imbao, je ñu normalement ma fa normalement ma fa recevoir quelqu'un. mais je suis définitivement pour guisser ak moi, pour rassurer parce que c'est quelqu'un qui quand même m'a beaucoup aidé au cours de ma vie parce que même je suis à école primaire yëpp si je suis à l'école primaire, je suis jàngee fu ne outal suis tuteur ba suis suis à université moi vraiment pour ma confusion là ce qui est important aussi c'est que sénégalais yi que ce n'est pas le cas je suis pas fou je n'ai aucun problème donc c'est l'essentiel le reste c'est pas important pas important c'est pas important alors nga indi parce que dafa am une interview Bodef, toujours toujours dans le cadre du dossier avec euh, mon ami et mon frère Ahmed euh, Aïdara après ñu ne ci biir interview dafa am yuñ ci dagg est-ce que vous mën nga ñu leeral. waaw d'abord da nga may permettre ma remercier vraiment Ahmed Aydara ak Bougane parce que Bougane Gueye ñoom ñoom moom télé parce que je pense que interview boobu bu ma ko defloon te ñu ngi may tej mbaaw wala tej ma tej ma fan et aussi il faut reconnaître que c'était une situation risquée mais ils ont pris le risque ils m'ont laissé vraiment ils m'ont interviewé jox ma plateau ils m'ont laissé parler Léegi, le reste, moi, je ne suis pas journaliste. Mohamed Adra c'est lui qui traite l'information. À un certain moment, il, il a, il a d'abord fait passer. première fois élément élément bu njëkk bi. Euh. dugal na deuxième élément bi dimanche bu si top la couronne, dougal. Mhm. mais yalla def ne Thione Seck euh, yàlla na ko yàlla mu décédé il paraît qu'il a des liens de parenté étroits avec Bougane. en plus de cette situation le Khalif général des Mourides avait et avait commencé une médiation. Mm-hmm. Et au-delà de ça aussi, ma mère était partie voir, parce qu'il vivait une pression. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas envoyé ma mère, mais elle est partie pour demander que mon def pour mon une des problème. Moi, quand il m'a expliqué toutes ces situations, moi aussi j'ai donné mon accord. Je dis donc si ça doit créer des problèmes, mais aussi je voudrais préciser. Qu'est-ce que l'ol Moi, beaucoup de personnes ont pensé que j'étais partiel. Parce que ce que je c'était pour rectifier pour le président. Ah bon, pour, pour rectifier pour le président Pour le président, parce que moi je pense que c'était une honte pour le Sénégal au niveau international que nous avons je ne veux pas le redire ici, c'est grave, comme on en est arrivé là, Jarugo. Mais si on le fait, je leur donne l'autorisation, si on avons fait, on avons fait, Mais ce que vous c'est pour protéger, la face de notre institution. C'est ce que je c'était pour ça mais comme Dialoul ba dit, nii jox autorisation je ne vois aucun inconvénient tant que ça ne crée pas de problème. mais c'était pour la république. pour protéger la république. c'est pour ça je leur donne l'autorisation je peux ko poster ñu c'est-à-dire que j'ai Maintenant, ñu jox ont ci dossier qui est le d'actualité. d'actualité euh, dossier Bougazil il a piloté toute l'opération avec le commandant qui est devenu colonel maintenant hein ñu ngi lay accuser foofu tamit ne yaa fuite vidéo bi. <laughs> effectivement xam nga vidéo euh, affaire boobu c'est une affaire qui est devant la justice je voudrais pas trop. Mm, waaw dans le fond fond. mais comme cité na nommément à plusieurs reprises je pense que j'ai mais tontu ko ci wolof pour mu dégg. waaw mun naa ko tontu ci wolof. et Bougazelli bala lii man bala enquête de commencer. comment xaw ma ko woon sax. xam nga xam nga quand il a été impliqué man bu may wax sama chef pour la première fois. Bouganzé laa ko Bouganzé mu ne ma du Bouganzé Bouganzé Wallahi, billahi, Wallahi, wal kitab. xaw ma ko jour bobu laa ko parce que moi le tour le le nom ne sonnait pas Séné tour bi du tour sénégalais. après la ñu ma wax tuuram dëgg. vous vous avez compris. Mm-hmm. mais bala affaire bi di xew. dégg nga li mu wax si si journaliste bële si a ben chaîne là tout du Sénégal 7. mu wax ouvertement que man. Je suis le wax commandant de ne man communiquer ak Ousmane Sonko vous vous imaginez affaire bu en novembre 2019 L'affaire affaire Sonko c'est en 2021. ne man mon info il met mal à l'aise le commandant Mbengue parce que dina année depuis 2019. il attend 2021, il associe le capitaine Touré à un dossier de. kon da nga ne il met mal à l'aise le commandant Mbengue il maquille ouvertement Il na aussi les mois bu buggee eh, vidéo bi fuité ba pare mu tok si kanam ñep mu né man maa lo vidéo yi ba am 14 morts man ma fuiteloo ay ay comment on appelle man ma eh. fuiteloo PV yi Ousmane Sonko ak Adji Sarr Sénégal yépp xam nañ ko mais il faut que nit ñi xam aussi man vraiment je condamne le fait que vidéo bi Le lépp képp ku am papa bugguloo papa jàmbur ñu def ko ni man vraiment ñu ma xam xam nañ né je suis assez discipliné pour ne pas pour ne pas m'associer à de telles pratiques mais aussi il faut que nous ñi xam aussi man aussi Anna naa ay mbokk que gendarme ñu bokkoon si enquête bi amna ñu ay mbokk dem na ba wax ne amna ci ñun ko xamne ci ñun dafa décédé parce que ñun dañ ko togn kooku sûrement loolu moko ko c'est ce qu'il a sous-entendu xam nga yoyu ay wax yo xamne la c'est vrai que il faut condamner la bi demé nañ ko wax deug nañ ko wax dëgg Bougazeli il a été très bien traité très très bien traité là-bas gis nga pour bañ yu mel nii moo tax bu ñu fa nekkee commandant mbeng musul nangu nekk moom kese ak Bougazel saa yu nit génnee day woo keneen mu ñëw topp ba enquête bi jeex te pour te dire combien de fois il a été respecté même pour le déférer man maa dem si bureau commandant bi parce que dañ ko yërëmoon ma ne ko Bougazel c'est une autorité buñ koy buñ ko déférer en plein jour nit ñi dinañ ko jël jël ko photo moo tax 5 heures du matin laaj ko c'est au cours de ce transfert là laa ko may man ma jël sama auto dawal ba yóbbu ko ba mu dugg. 5 heures du matin 5 heures du matin. en général c'est les gendarmes et les gradés qui le font mais man ma jël sama auto dugal ko dem di dawal man je n'attends rien de lui c'est juste par respect parce que je le considère comme mon père. wallahi billahi wal kitab bu fekkee ni wax na il vous dira combien de fois je l'ai traité c'est-à-dire je l'ai tellement bien traité que xamna dina yakarone dafa am lima ma xaar

nekk fa ba julli 2 heures après jël auto bi ñibisi kurus bobu la doon wirde mais bobu la ko jël may ko c'est-à-dire parce que j'avais pitié de lui je ne voulais pas que un de mes parents soit dans cette situation. nena tentative de corruption bi wax bi da ngeen ko doon lacc xaalis ak yooyu. non lolu amul lolu vraiment lolu mënul am xam nga aussi nena wax na ko commandant Mbengue bind nañ ko si lolu ça ne peut pas être c'est-à-dire mënoo japp quelqu'un en flagrant délit comme ça déjà le fait que jàpp ko problème déjà tu te dis qu'on a des problèmes. Hmm. kooku doo ko doo laaj ah parce que le di de <laughs> xam Moi aussi je voudrais en profiter pour wax sénégalais La nga police et gendarmerie nit ñi dañ leen protéger respecter Les policiers nga les gendarmes, gendarme mooy que xam ne bu amee problème a sa famille qui l'aime les autres ne l'aiment pas parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un qui est là pour réprimer la population comme je vous dis on l'a pris de la colonisation esprit que police les gendarmerie c'était pour le collège, pour notre nous Nous, ñu yaakaar ba c'est ça qui continue alors que ce n'est pas là maintenant policiers et gendarmes on est déjà des gens qui disent ont arrêté un député un député pour passeport alors qu'il y avait des gens qui avaient eh, qui avaient arrêté un député qui sont là maintenant on les vilipende ñu les di nous les leen wax lu aussi vraiment il faut que les gens y repensent sinon gis policiers et ak gendarme dañ dem ba courager Les bara et Les ak ils ont gendarmes, ko c'est-à-dire haris amul xaalis boo mënta jox nit pour que ça puisse couvrir fatigue boobu liggéey boobu c'est-à-dire c'est en fait c'est c'est quelqu'un qui est au service c'est-à-dire loolu esclavage la en fait bu ma la ko mënee wax bu fekkee ne c'est un gendarme on peu qui fait son travail loolu. est-ce que au service commis de l'État. loolu rek laa ko mën a euh, comment comment mengo esclavage. parce que yow doo gis sa famille doo woo sa famille yow da ngay nekk di njëriñ nit ñi rek te luñ lay fay ça ne peut même pas couvrir tes trucs peut-être pouvoir bi nga am les grades tu peux conduire un véhicule d'une la arrêté c'est mbedd bi avantage yooyu man je pense que si un gendarme devait travailler pour lui-même vraiment ce serait il serait plus à l'aise. très bien euh... Néna ba mi dugg ci bureau commandant banque da ko bëggoon filmer mané bon comment est-ce possible est-ce que officier a une possibilité de dugg ci bureau supérieur def voilà lolu aussi vraiment c'est très important imagine-toi moi qui suis capitaine sous les ordres du commandant Beng. même je suis dans ci bureau am damay autorisé quand j'entre je me mets au garde boue je me présente c'est lui qui m'autorise à me dire repos je me mets au repos même si je dois parler c'est lui qui m'autorise vous vous imaginez moi entrer dans le bureau de ce commandant de filmer je mon ne ma arrête logique pour logique quoi pour ceux qui ont fait l'armée est-ce que c'est logique c'est c'est triste quand même mais il faut que les gens lui disent aussi la vérité attaquer moi je n'ai vraiment absolument rien à voir avec ça si je devais divulguer des choses pour refaire ma crédibilité ou faire ma crédibilité parce que je pense que je n'ai rien fait je suis très crédible ce n'est pas en divulguant des vidéos parce que j'ai participé à beaucoup de choses. Hmm. nga xam bari quoi comme comme alors ce dernier mot lan les donne à l'endroit des Sénégalais caméra mon dernier mot pour les Sénégalais c'est juste wax Sénégalais qu'à <laughs> un certain moment on a commencé à constater que nit ñi pas wax dëgg. c'est-à-dire les gens ont tellement peur de la critique que nit pour bu wax dëgg dafa c'est-à-dire gis nga nit bu fekkee ne dañ lay rey les gens me reprochent de prendre des positions sur ma base man pas àdduna dire ba àdduna jeex li ma di je pense pas que nit lu mu xalaat wala position nit dina ma tere jël position wala tere ma wax deug donc il faut que nit ñi xam importance loolu quoi c'est important en fait. Mm-hmm. parce que on a une. à l'heure actuelle surtout. a on a une génération bu mag di gis xam nga génération bobu lu ñuy gis rek dañuy yaakaar c'est ça la la réalité donc dañuy dem ba pervertir la vérité Fait que après nit ñemetul wax deug ça c'est important. Euh, dans le cadre de, l'affaire de Bouguès, comme je vous dis c'est vrai nous ni war condamner c'est important mais nous xool ñun aussi tort bu nous teg accuser de corruption c'est vrai que moi je ne suis plus gendarme mm-hmm. xam nga moi je peux aujourd'hui parler mm-hmm. mais les autres wóor na ma pas dire que le commandant Mbengue waroon wax wala gendarme yooyu mu tuumal pas vraiment ils allaient s'en offusquer donc nous devons nañu ñeme dëgg bàyyi vraiment di wax lu neex nit man le jour où man damay wax pour neex nit wala pour mes je ne veux pas vivre plus que ça parce que ce n'est pas être libre pour moi être libre c'est de dire ce qu'on pense de dire la vérité ça peu importe ce que les autres pensent mais le comportement que les gens ont actuellement si ça continue comme ça dina dem ba nit du parce que c'est les anciens qui vivent actuellement ñom ñokoy c'est-à-dire ñom ñokoy promouvoir quoi mm-hmm. parce que boy dañuy mag de gis et ils voient c'est-à-dire je sais pas comment je, je vais le dire di voient nit ñi di. di sos di inventer di inventé te ñi di soutenir donc c'était ça mon dernier mot et pour pare aussi di jéggalu parce que wax dafa metti c'est mhm. C'est la deuxième fois que je suis devant une caméra am naa ni yombul mun nga wax nit vraiment maa ngi jéggalu Sénégal yi yëpp képp koo xam ne tooñ naa la wala sama wax offensé na la di excuser vraiment c'était juste pour me a yenn. Voilà, c'était pour merci beaucoup capitaine Omar euh, Touré Madame dessus juste pour éclaircir sénégalais sur points émission autour du micro inchallah.